bonjour asalaamaaleykum et bienvenue sur IK News tey nag ñoo leen indil euh, ñaari séquence si euh, lu ñuy wax VAR VAR muy arbitrage vidéo bi nga xam dafa ànd ak jamono comme ni ngeen xamee actualité politique nag si Sénégal mooy euh, choix bi nga xam ne la présidente maître Aïssata Sall présidente de Osez l'Avenir def na ko moom ay waa partem pour soutenir le président Macky Sall donc nag ñu ñëw nag indil leen ñaari séquence yoo xam ne nii euh, bi fi maître sa Tall Sall ñëwee Euh, invité won ko ci ben conférence bo xamné mi ngi amone le 10 novembre 2018 euh, ñi ko invité won di front pour le départ de Macky Sall euh, defoon nako fi euh à l'époque qui ñuy wax Atab Ndiaye nek membre fils opposition bu nek Paris waxon nako né amna question mu ko posé won né ko entre guillemets bis bu ngeen démé relier wu ak camp Macky Sall au second tour vous serez laminé euh, ñu déglu euh, échange bobu entre euh, Atam Ndiaye ak qui di maître acceptal sal benen une séquence bi nak mi ngi nek aussi dina ñew aussi ci VAR bi am ku ko lajone mom maître acceptal Tall lan la gis ci le fait que le parti socialiste sénégalais maintenant est dans la paix booba nag maître Aïssata Tall indi na benn euh, euh, répondre na si ak benn métaphore ou benn comparaison boo xam ne daf ne woon PS léegi benn saucisson la bu nekk si biir mburu bu mag bu APR euh, comme ni ko Olof Ndiaye di waxee nag Toungane du tew ñuy nattale donc ñu déglu maître Aïssata sal essence bobu amone fi ci Paris le 10 novembre 2018 mais baal ñu fay dem nag yoon la ñu poser contexte bi nga xamné ni mom lañ nekkoon à l'époque nak mbiram contexte mom ku ne xam dafa bax si si si loo mënut gis ci aduna donc à l'époque nag maître Aïssata sal était censé en tout cas être candidat à la présidentielle au Sénégal euh, donc Bobo bi mi def conférence bobu il le faisait en tant que candidat candidate ou en tout cas candidate potentielle à la présidentielle du Sénégal du 24 février 2018. Benen waxtan est-ce que la population sénégalaise le peuple sénégalais a ci une responsabilité si choix parce que euh maître à Tall Sall ku ne xam na a une na opposition bi mi ngi dérouler ay programme est-ce que les sénégalais aussi certes ils ont le droit d'adhérer ou pas mais est-ce que nous, bu kenn nekké ci candidat bi di 18 ans 20 ans ni ñi am adhéré certes mais ñeneen ñi adhéré wuñu c'est c'est leur choix mais est-ce que le peuple aussi n'a pas n'a pas n'a pas sa sa responsabilité dans leur choix parce que légui mom luñu gis moy ku ñuy gëm moy ko xam da nga yoré carte carte du jeex di séddale xaalis bi de gauche à droite ah voilà ñu bàyyi leen daal en tout cas ngeen déglu essence bobu amone fofu fi ci Paris jërë ngeen jëf Ibra Khady IK News depuis Paris merci. Bonsoir merci de m'avoir offert euh, offrir euh, cette opportunité. Je tiens à saluer Madame la Présidente Assad Talsal, respectivement euh, Président euh, Gujabi Atepa. Je suis Atab Ndiaye, le fondateur du mouvement Askao.com international, mouvement qui, est un mouvement de soutien à Karim Watt depuis 2012 ici à Paris. Donc, euh, mon intervention s'articule autour d'une interpellation en tant que parti d'opposition. En fait, aujourd'hui, le peuple sénégalais, dans sa majorité, est dans une situation de crise sans précédent. Donc, par voie de conséquence, cette population majoritairement a vomi le pouvoir en place. Donc, toute tentative de ralliement avec Macky Sall au deuxième tour tentative de ralliement avec Macky Sall au deuxième tour, vous serez laminé. Ça, je vous avertis. Pour terminer, pour terminer, pour terminer, euh, je tiens à magnifier vraiment votre alliance architecture-avocat. Quel plan d'architecture économique et politique que vous avez prévu pour la bonne gestion rationnelle face aux ressources qui sortent au Sénégal Je vous remercie. Merci Atap. je vous signale que je vous signale que nous, nous avons la conscience tranquille par rapport à ces deux qui sont là. Et n'oubliez pas aussi que ces deux enfants du président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade nous a dit, je parle sous le contrôle de Maïssa Touré, que Aïssa Tatal, c'était sa fille. Askao euh, avec, Karim Wade, oui, oui, il nous a, mis, il nous a menacé là, de ne pas rallier Macky Sall. Voilà, c'est Atap Ndiaye. Bon, ben, don't tact. On ne peut pas dire mieux que ça. Hein? Voilà, don't tact. Hein. Puisque c'est une menace. Alors, donc, euh, voilà, il dit que nous vivons une crise sans précédent. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais cette crise-là, elle a été provoquée, générée par des Sénégalais. C'est par les Sénégalais qu'elle se solutionnera. Alors, j'imagine que nous sommes là pour ça. En tout cas, je salue votre engagement pour le Sénégal. Je salue votre détermination pour le Sénégal je retournerai chez moi encore gonflé à bloc par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu, par les postures que vous avez là devant moi. Et je dirai à vos compatriotes que la diaspora vous salue et que la diaspora vous demande de créer l'alternance le 24 février 2019, Inch'Allah. Du PS. Je l'ai dit, c'était justement comme pour fétichiser cette question-là, et qu'elle ne soit pas posée, euh, le PS, vraiment pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais comme je l'ai dit, il y a un petit PS saucisson qui est dans, la, dans le gros pain de qui est en train d'être mangé. Moi, je suis pour un autre PS, le PS des valeurs, le PS de gens qui sont debout, qui combattent, qui acceptent que pour leur pays, tous les sacrifices ne seront pas vains. Ce PS-là, il est incarné par pas mal de gens Khalifa Sall, année 1, Maligum devant moi, année 1, Dorossi, année 1, d'autres et d'autres, Barthélémy Diaz, Bamba Fall. Mais nous avons tous été exclus de notre parti. Mais c'est parce que nous sommes exclus que nous sommes résilients, que nous sommes forts, que nous sommes déterminés, parce que nous sommes sûrs que le Parti socialiste, ce n'est pas la direction actuelle. C'est d'autres choses, c'est d'autres valeurs, c'est toute une histoire, c'est le Sénégal. Et nous sommes avec ces gens-là.